Et ce déplacement bi ngeen De te di len massaw di len wax leyal. len di euh kenn ci tay la euh, euh, honorable Kana Diallo euh, li ñuy japp ci un homme disponible un homme épris des valeurs républicaines un homme d'une grande simplicité nit ku defe naa ni euh, li ñuy témoignage bi ñuy def mënul weesu ni nit ku baax la woon euh, au nom de monsieur le gouverneur de la région de Ziguinchor au nom euh, de l'ensemble des membres de l'administration ñu ngi leen di ñu ngi leen di jaale bu baax di leen masaw bu baax ah, ñu jàng ci m honorable membre Kane Diallo que ni baax rek moo am solo le gogou euh, municipal de la commune de Souy depuis 2009 depuis 2009 monsieur a apporté sa pierre par ses conseils à la réussite de la mise en œuvre des décisions et actions entreprises par le conseil municipal et allant dans le sens de la satisfaction des intérêts des populations. Son humilité et son sens de l'écoute ont permis d'apaiser et de concilier des positions très souvent divergentes au sein de notre instance de décision. autour de toutes les activités qui font, en présent et en participant à toutes les actions. Euh, social, hein. politique, etc., du département. Donc, il a été un de mes bras droits pendant toute cette période. je suis tous les plans. C'est comme donc aujourd'hui, je peux ressentir ça comme quelqu'un qui est venu se confier, euh, qui est venu se confier dans l'intérêt du département, qui est venu donner ses idées, ses dernières euh, propositions, etc. Et, tout, et il est parti. Et ça, ça fait très mal. Je crois que c'est tout le monde qui perd. Et il faut souhaiter, prier pour lui, prier pour sa famille, pour ses enfants qu'il va abandonner, pour ses épouses, pour qu'un euh, autre canard puisse naître dans la famille, dans la communauté, qu'il soit un modèle pour les autres enfants, les jeunes, pour les jeunes, la jeune classe politique. On a beau discuter, lui et moi, mais on arrivait toujours à nous retrouver en tant que responsables arrondir les angles et ramener tout le monde à la raison. Donc euh, je crois que c'est un pan de ma gestion aussi qui est menacé. Mais des euh, grands, il y a beaucoup de personnes. Hein, Parmi ces produits. C'est ça. Parmi ces produits, parce que en 2007. Ghana. de Il fait partie des Il Et il en pour nit ñi di xuloo di xëccoo bu fexee ba sotti fa ndox bu set jamono yooyu kon loolu exemple la ñun ñoo ñàkk waaye moom li mu doon liggéey ak li mu doon dox te li nga xam ne yàlla subhanahu wa taala loolu la sant te muy si taxaw di jàppale doomu aadama yi di jël léppam di leen jox di euh, dox jàmm di dox lu baax la may sur la défensive parce que bout de euh, le quelqu'un qui sait gérer les secrets, et je sais qu'aujourd'hui il va partir avec euh, beaucoup de secrets il va emporter par lui beaucoup beaucoup beaucoup de secrets c'est quelqu'un son altruisme a fait tache d'huile au niveau de toutes les confessions religieuses. Aujourd'hui, nous rendons hommage mérité à Mamadou Kana Diallo parce qu'il a consacré sa volonté, son énergie, ses moyens financiers et sa santé durant des années au service des populations de la commune Soui, de la jeunesse et du département Soui dans son ensemble. Tout compte fait, honorable conseiller Mamadou Kana Diallo était un homme politique de modèle. La commune d'Oussouy a perdu, le département d'Oussouy a perdu, mais également la région a perdu un homme qui marquera l'histoire politique de notre chère région. Nous avons perdu un conseil économique, social et environnemental qui a fini de prouver, euh, en tout cas, euh, son compagnonnage avec les populations euh, mais aussi qui a beaucoup œuvré dans le social, mais qui a été également un grand régulateur du département d'Oussoui, un grand régulateur politique et social, en tout cas euh, de la casemasse naturelle. Euh, il faut dire que notre cher ami Kana Diallo, que nous avons perdu, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qui lui accorde le paradis Firdaus. il a été un modèle, il a été un patient, il a été un sage, il a été un bon négociateur, il a toujours œuvré pour accompagner euh, toutes les actions humaines, toutes les actions sociales au niveau de la Casamance. Euh, Je formule une invite aujourd'hui à l'endroit de mon homologue Doussou, euh, qui consiste justement à baptiser Sat au nom de Kana Diallo, qui a quand même euh, beaucoup servi la jeunesse du département de Soudan.